auditeurs du studio Kalangu, bonjour. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Ali Munkaila Ousseini Di Seno et moi-même Habiba Ahmed. Seno, bonjour, comment tu vas Je vais très bien Habiba. Pour cette émission, la technique est assurée par Abdoulaye alias Bunga la star et à l'édition, nous avons Adam Adawaki. Nous serons ensemble pendant 60 minutes, alors restez avec nous pour kiffer le programme. Habiba, quel est le programme d'aujourd'hui au menu du jour, les Flash infos, la rubrique hebdomadaire qui parle d'environnement et la chronique Loti. Sans oublier notre sélection musicale nigérienne. Aujourd'hui, on va bouger au rythme de la musique traditionnelle. Et eh oui, dans la rubrique euh, Entretien du jour, nous suivrons un entretien sur la prise en charge des personnes âgées à Maradi. Et ce n'est pas tout. Restez à notre compagnie sur les ondes de nos radios partenaires pour découvrir la suite du programme. C'est parti! Bonjour à tous, comme à l'accoutumée, commençons par les flashs d'information présentés par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Habiba Ahmed, bonjour Ali Moukela Ousseini. Les flash d'information à présent. Au Niger, la communauté musulmane a célébré dans la nuit d'hier la naissance du prophète Mohamed, communément appelé Mauloud. Les fidèles de la confrérie de Tidiane se sont recueillis dans la ville de Tchota au lieu de cette célébration religieuse pour des invocations et des prières. À l'occasion, le gouvernement a déclaré férié la journée d'aujourd'hui. L'appareil présidentiel, le Mongrebun euh, Boeing immatriculé 737-115U BBJ est de retour au Niger depuis ce mardi 26 septembre 2023. L'avion présidentiel a été immobilisé pendant plusieurs semaines en Suisse euh, suite aux manœuvres dilatoires du régime déchu avec la complicité de certains présidents, indique le Conseil national pour la, sauvegarde de la patrie CNSP le Niger continue de faire face à une crise humanitaire aiguë et complexe marquée par la continuation du conflit armé, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, des phénomènes climatiques extrêmes, a indiqué dans un communiqué ce lundi 25 septembre le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Selon l'ONG internationale basée à Genève en Suisse, en 2023, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persiste au Niger malgré une campagne agro satisfaisante dans son ensemble. Beaucoup de disparités entre les régions et à l'intérieur de ces mêmes régions subsistent cependant, précise le communiqué. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 27 septembre 2023. Merci beaucoup Mokhtar pour ces informations. Excellente journée. Nous l'avons annoncé tout à l'heure, chers auditeurs, nous suivrons un entretien sur la prise en charge des personnes âgées à Maradi. Mais avant, nous allons écouter cette musique avant d'aborder notre sujet. Alors installez-vous confortablement pour savoureux le son signé Tiemogo Bambaraisi. dukaina zahabi tuma kuline kwanzan maulina yi maye kala folo adiza kuda ai maulizo an wa izo bu ai ma wa koyi min nan. Ayayi wa mayi ni te to dumi. Mule mai da alamu hawa mulay ay dakoydano kudukayne est un artiste dont le travail incarne la richesse de la culture et de la tradition nigérienne. L'authenticité de sa musique est véritablement remarquable. Et eh oui, il euh, chante en langue zarma et ses chansons reflètent l'identité et l'histoire du Niger. C'est un véritable ambassadeur de la culture du pays. Chers auditeurs, écoutons à présent la première partie de notre entretien, la gériatrie et la médecine qui prend en charge les maladies liées à l'âge. Au Niger, ils ne sont que deux docteurs spécialisés dans ce domaine un à l'hôpital de référence de Niamey et un à celui de Maradi. Docteur Issa Meiga Zara est celle qui s'occupe des malades âgés de Maradi. Pour elle, leur spécialité est méconnue des euh, Nigériens malgré le besoin. Elle nous parle euh, de sa spécialité et le, et le soulagement voilà, qu'elle apporte aux patients âgés. Elle est au micro de Mohamed Maman. Un gériatre, c'est un médecin qui s'occupe des maladies liées à l'âge. Donc euh, les maladies qui sont très fréquentes chez les personnes âgées, comme la pédiatrie s'occupe euh, des maladies des enfants. Donc la gériatrie s'occupe des maladies des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées euh, ont aussi des, maladies spécifiques. Tout à fait. Les personnes âgées ont des maladies spécifiques et ils ont des fragilités qui fait que leurs maladies sont spécifiques. Ah, alors, vous êtes ici euh, à l'hôpital de référence de, de maladies. Quelles sont les maladies les plus fréquentes de ces personnes âgées que vous rencontrez Ici, à l'hôpital de référence euh, de maladies, les personnes âgées que nous recevons présentent beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, dont l'HTA, le diabète, des maladies euh, d'origine cardiaque et aussi des maladies neurodégénératives comme l'arthrose, comme euh, les démences qu'on ne connaissait pas avant ici euh, au Niger et en Afrique subsaharienne. Les démences, ils sont classés en plusieurs sortes. Il y a des démences dites vasculaires, des démences dites neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Il y a des démences aussi curables qu'on peut guérir de ça. Donc, dans notre contexte, avant, on a plus de démences vasculaires, donc qui sont secondaires à des AVC. Mais malades qui font des AVC, après ils font des démences vasculaires. Ou bien des malades, qui traînent une hypertension artérielle qui est mal prise en charge, qui finit par donner des dépenses vasculaires. Mais présentement, on commence à avoir aussi beaucoup de démences euh, euh dites euh, Alzheimer dues à l'avancée de l'âge. Parce que nous aussi, maintenant, on commence à avoir beaucoup de personnes âgées vu l'évolution de la science, les gens vivent plus longtemps. Et au Niger aussi, l'espérance de vie est en train d'augmenter. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de ces maladies qu'on avait avant que chez les Blancs, mais aussi chez nous maintenant, on commence à les avoir. Ah oui, c'est bizarre. Quand on parle d'Alzheimer en Afrique, au Niger, <laughs> comment ça se passe Effectivement, quand tu dis Alzheimer, les gens disent Ah bon Ça existe chez nous Si, ça existe. Parce qu'avant d'arriver chez nous, parce que la gériatrie n'est pas très connue, c'est une spécialité qui est innovante, qui vient d'arriver en Afrique. On est deux au Niger. Donc, euh, du coup, avant que ça n'arrive chez nous, les gens pensaient à des troubles psychiatriques ou bien mythiques dans notre culture. Euh, parce que c'est des comportements qui font penser à des trucs euh, mystiques. Donc avant que ça n'arrive chez nous, déjà, ils arrivent au stade terminal de leur maladie. Donc c'est une maladie qui est quand même neurodégénérative et progressive. Quand elle est vite diagnostiquée, il y a des accompagnements qu'on fait. Bien qu'il n'y a pas de traitement, mais il y a des accompagnements pour alléger la vie du patient et aider aussi les parents à mieux gérer les patients atteints de cette maladie, qui est quand même invalidante. Vous êtes seul à maladie, comment vous prenez en charge ces personnes À travers les collègues et à travers aussi euh, les patients, comme on voit des urgences, j'arrive quand même à avoir des personnes âgées que je prends en charge et dans le service aussi dans lequel je suis affectée, j'aide beaucoup à la prise en charge des personnes âgées. Comment se fait la fréquence Est-ce que les personnes âgées viennent vraiment en masse vous voir pour leurs problèmes Je dirais pas en masse, mais quand même, euh, il y a une cohorte qui arrive chez moi. C'est pas très bien connu. Peut-être avec euh, votre interview, les gens sauront qu'il y a un médecin qui s'occupe des personnes âgées. Mais quand même, les quelques-uns que j'arrive à, rencontrer, vraiment, euh, je fais de mon mieux pour les prendre en charge. C'est pas seulement la prise en charge clinique, il y a prise en charge psychologique. Vous faites ça aussi Oui. une personne âgée, la prise en charge, elle est globale. C'est ça, la prise en charge sanitaire et sociale une personne âgée, quand tu la vois en constatation, c'est pas seulement la maladie. Il y a le côté psychologique, il y a le côté environnemental qu'il faut voir, financier. Donc, euh, c'est là où intervient la gérontologie, qui est une spécialité aussi euh, à part entière de la gériatrie. Parce qu'on dit un géranto, gériatre, ou bien un gériatre et gérontologue. La gérontologie, c'est la science qui s'occupe du vieillissement, sur tous ses aspects, socio-économiques, financiers, environnementaux. Donc une personne âgée, à part sa maladie, a aussi des problèmes sociaux, environnementaux qu'il faut tenir compte dans la prise en charge. Parce qu'on est d'accord qu'au Niger, les personnes âgées n'ont pas de prise en charge, ils n'ont pas de, gratuité de soins. Donc euh, quand tu vois une personne âgée, il faut toujours te demander qui le prend en charge, quelles sont les limites de ses finances. Parce que ce n'est pas donner une ordonnance à une personne âgée qui a par exemple une maladie euh, cardiovasculaires comme l'HTA ou le diabète, est-ce qu'il a les moyens de suivre le traitement comme il le faut Et déjà dans la prescription, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut les prescrire, le médicament qu'il peut payer. Donc c'est important d'évaluer ses finances. Donc euh, la gériatrie, c'est une société qui évalue tout ça. Et les personnes qui viennent vers vous, vous arrivez à les satisfaire En tout cas, j'ai fait tout mon mieux en tant que médecin de venir en aide aux personnes âgées qui viennent me voir, de, de faire une évaluation globale de ce qui les amène en consultation. Parce qu'en gériatrie, il y a ce qu'on appelle les fragilités. Donc quand tu vois une personne âgée, à part la pathologie, les commodités pour lesquelles ils arrivent, ou bien le vieillissement euh, physiologique, il y a ce qu'on appelle les fragilités. Dans les fragilités, il y a la nutrition qu'il faut évaluer, il y a la cognition, c'est-à-dire la mémoire, il y a la dépression, le moral qu'il faut évaluer, il y a l'autonomie, parce qu'une personne âgée, si elle marche pas, quand elle devient dépendante, c'est une, charge pour la famille. Donc il faut tout faire pour qu'elle ne devienne pas dépendante pour la famille. Donc il faut qu'elle soit autonome. Donc l'autonomie, c'est très important. On évalue aussi les risques de chute, parce que les personnes âgées, quand elles chutent, c'est des fractures du fémur, des fractures du poignet, donc euh, qui sont difficiles à gérer, vu l'ostéoporose. Donc euh, on évalue tout ça là. la polymédication, parce que euh, une personne âgée, c'est beaucoup de maladies et beaucoup de médicaments. Donc on évalue les médicaments pour voir l'interaction entre ces médicaments-là, les effets secondaires que ça entraîne. Donc il y a la confusion aussi, il y a beaucoup qui font des confusions dues à des médicaments qui, une interaction entre les médicaments. Donc euh, il y a les fragilités, il y a aussi ce qu'on appelle les grands syndromes gériatriques, qui sont vraiment des, des spécificités liées à l'âge que seuls les gériatres peuvent détecter. Alors à quel âge on peut estimer que cette personne est vraiment une personne âgée Alors une personne âgée ici au Niger et l'OMS a contextualisé c'est 100 ans et plus. Donc 100 ans et plus, à 100 ans, c'est la prévention surtout. S'il si n'y a pas de maladie chronique, il n'y a pas de comorbidité, c'est de faire une prévention, je dis primaire, pour ne pas avoir une pathologie chronique. Si tu as une pathologie chronique déjà, il faut faire la prévention secondaire pour maintenir ces maladies, pour qu'ils ne deviennent pas un handicap. Donc, si vous êtes dans la prévention secondaire, vous avez déjà des maladies chroniques, il faut faire la prévention tertiaire pour que ces maladies chroniques ne se compliquent pas. Donc, euh, c'est vraiment important de faire ces trois phases. Donc la personne âgée, c'est 60 ans et plus. Mais la fragilité, c'est 115 ans. Donc à partir de 115 ans, la personne devient très fragile. Voilà, avant de poursuivre notre entretien, écoutons euh, le deuxième morceau de notre sélection. Il s'agit euh, de l'orchestre Carnaval de Maradi qui nous chante ici Ya C'est parti. Rabbana Bismillahi Rabbana Bismillahi Rabbana Bismillahi Rabbana Irko iberi Aiko yo esperanza. l'orchestre Carnaval de Maradi. Ce morceau est une fusion envoûtante des rythmes enjoués, des mélodies et des paroles captivantes. Et eh oui, euh, Habiba, dès les premières notes, on est transporté euh, dans un voyage sonore rempli d'énergie et de passion. Les percussions puissantes créent un rythme irrésistible qui Hein, qui vous fait bouger instinctivement, n'est-ce pas Les instruments euh, traditionnels tels que le kalangu et le djembé ajoutent une profondeur et une richesse à la musique, nous rappelant hein, les racines profondes de cette mélodie. La voix du chanteur est tout simplement magnifique et les paroles d'une telle sincérité. yeah. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien l'orchestre Carnaval de Maradi avec le titre Yabissimila ». Nous revoilà au studio pour la continuité de notre entretien sur la prise en charge des personnes âgées à Maradi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller euh, dans ce domaine de, prise en charge des personnes âgées Alors, la gériatrie m'a passionnée. Maman était diabétique. Depuis la première année, je l'ai prise en charge pour son diabète. Et chaque fois qu'elle décompensait, c'était moi. J'étais étudiante, mais j'arrivais quand même à faire des garde-fous pour qu'elle soit bien prise en charge. Dans ça que j'ai vu, et j'étais en médecine interne, j'ai vu comment les personnes âgées, euh, leur prise en charge est, difficile. Donc, euh, il y avait mon maître, le professeur Eric. En ce moment, il me parlait beaucoup de la gériatrie. Donc, euh, j'ai dit vraiment, j'ai réfléchi, je disais que c'est une société quand même et qui prend en charge nos parents. Et nos parents vraiment ont besoin des spécialistes qui vont, qui les écoutent, qui comprennent leurs problèmes, que ce soit médical ou social. Donc ça m'a beaucoup passionné, j'ai beaucoup lu sur la gériatrie, j'ai vu que c'est très développé en Europe, mais chez nous, non. Donc euh, quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient quelle personne âgée tu vas prendre au Niger. Donc c'est après que j'ai compris, au début j'étais découragée, mais j'ai compris qu'en réalité, c'est pas seulement l'âge, il y a aussi la prévention. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et quand je commençais, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'erreur. C'est vraiment passionnant de, soigner les personnes âgées. Vous êtes seulement deux euh, Au Niger, pour le moment, il y a beaucoup qui sont en, formation une dizaine et qui sont présentement en France. Pour le moment, on est deux euh, sur le terrain. C'est une fierté pour vous aujourd'hui d'être euh, parmi ces deux gériates reconnus au Niger Oui, c'est une fierté. Et en tant que femme, la seule femme gériatre disponible au Niger, c'est une fierté. Est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à ces jeunes étudiants en médecine de vous emboîter aussi le pas Il y en a déjà des candidats quand ils me voient travailler à l'hôpital de référence, euh, ceux qui ont eu la chance d'être dans mon service, ils passionnent déjà de la gériatrie. Donc on aura, Inch'Allah, beaucoup de futurs gériatres au Niger. C'est dire que euh, les infirmiers et les médecins qui sont dans les centres de santé ne pourront pas totalement prendre en charge les personnes âgées. C'est pourquoi vous les formez aujourd'hui euh, cette formation elle découle d'un long processus. On a compris que dans les centres sanitaires, et la prise en charge des personnes âgées n'est pas adéquate. On n'a pas un bon cadre de prise en charge des personnes âgées. Si on dit cadre, les, personnels ne sont pas qualifiés à la prise en charge des personnes âgées. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas reçu de formation sur la prise en charge des personnes âgées. Mais ils le font naturellement dans notre conseil socio-culturel. Ils font de leur mieux. Mais il y a quand même il des formations complémentaires qu'il faut faire à ces agents de santé pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des personnes âgées. Ça, c'est un. De deux, il y a ce qu'on appelle les infrastructures. Nos hôpitaux n'ont pas de cadre spécifique de prise en charge des personnes âgées. Pour qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des unités qui mettent en place des, matériels, des matériaux qui sont adaptés à la prise en charge des personnes âgées. Selon les normes standards de l'OMS, il y a des matériels qu'il faut disponibiliser dans tous les services, dans tous les hôpitaux, pour qu'il y ait une prise en charge adéquate des personnes âgées. Ces matériel, c'est des matériels simples, comme des lits médicalisés, des matelas anti-escar, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place pour une bonne prise en charge des personnes âgées. À part ça, il faut faire une formation continue des agents. Ceux qui sont déjà sur le terrain et ceux qui sont à l'école, il faut qu'on insère des modules de prise en charge, cest à de la gériatrie, et dans les écoles de santé et à l'université, pour que depuis eh, la fac ou depuis les écoles de, depuis les écoles de santé, qui est des garde-fous pour que les, agents de santé qui sortiront à la fin de leur formation, il y ait une bonne qualification pour la prise en charge des personnages. C'est dire qu'aujourd'hui, euh, votre spécialité a un rôle important à jouer dans, la société dans la médecine. Bien sûr, que ce soit le côté préventif, que ce soit le côté social, vraiment, euh, la gériatrie a toute sa place. Parce que c'est la médecine de l'avenir, je dirais. C'était docteur Idrissa Meiga Zara qui s'occupe des malades âgés euh, de maladies interrogé par Mohamed Maman. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est l'heure de la rubrique hebdo et c'est l'environnement aujourd'hui. Habiba, dis-nous, ça parle de quoi C'est non. Tu sais que le SULS fête ses 50 ans cette année. Mhm. C'est le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, mhm. dont nous allons voir les acquis engagés par l'organisation au cours de son existence. Professeur Sanoussi Atta, chef de département formation et recherche au Centre régional agrimètre de Niamey, fait le point dans cette interview avec Assouman Aboubakar. On écoute. Au cours de ces 50 années, le SILS a engrangé de nombreux acquis dans plusieurs domaines notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a mis en place euh, des cadres de concertation, notamment euh, le dispositif de prévention et gestion des crises alimentaires, le réseau de prévention des crises alimentaires, mais aussi un outil euh, consensuel qu'on appelle le cadre harmonisé, qui est un outil d'analyse de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau régional. Le CILS également a mis tout un ensemble de dispositifs euh, de suivi de la campagne agricole, mais aussi de suivi des marchés. Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, le SILS également a mis en place des dispositifs de suivi de l'occupation des sols, de l'occupation des pâturages. On est en train de mettre en place un système régional d'informations sur le pastoralisme pour permettre une transhumance apaisée des pays du Sahel vers les pays côtiers. On est également en train de faire un suivi euh, des aires de reproduction des kirkés pour pouvoir prévenir les invasions acridiennes. Au cours de ces 50 dernières années, le SILS a formé combien de cadres On a formé presque 1800 cadres qui sont issus de 26 pays. Ça veut dire qu'en plus des 13 pays du SILS, on a formé également des cadres des pays de la CDAO qui ne sont pas membres du SILS, mais aussi des pays de l'Afrique centrale. Donc ça, c'est vraiment un acquis important. Le SILS a mis en place aussi dans les pays euh, les groupes de travail pluridisciplinaires qui est un ensemble de cadres techniques qui sont chargés du suivi de la campagne agricole ou toutes les décades, donc au niveau des différents pays. Dans le domaine du climat également, le SILS a mené des études pour voir quelles sont les principales tendances du climat, mais aussi quelles sont les évolutions futures à partir des différents modèles climatiques. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il a acquis euh, un calculateur de haute performance HPC qui permet de faire donc des prévisions, des calculs euh, sur des données de longue échéance. Il a également mis en place un dispositif qu'on appelle le comité sahélien de pesticides qui permet de faire la réglementation des produits pesticides dans l'espace. Et cet important outil est un grand succès et la CDAO a voulu qu'il soit étendu à l'espace maintenant ouest-africain. Donc il va devenir un comité ouest-africain de d'homologation des pesticides. En quelle année et avec combien de pays le SILS a commencé ses activités Le SILS a commencé euh, avec six pays le 12 septembre 1973, qui étaient le Burkina, le Mali, le Niger, euh, la Mauritanie, le Tchad, le Sénégal, mais maintenant le CIRS compte 13 États membres. Mais ces interventions sont au-delà de ces 13 États membres, ces 17 États membres. Pourquoi Parce que les autres pays ont vu que les acquis que le SILS a engrangés sont très importants. Ils sont demandeurs et on a d'ailleurs même deux pays que sont le Soudan et la République centrafricaine qui ont aussi demandé leur adhésion au SILS. Mais le processus est en cours. Quelles sont les nouvelles approches du CILS en fait, le CIS a été créé au lendemain des sécheresses des années 70. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait de sécheresse, on ne parlait pas du changement climatique. C'est après qu'on a compris que la sécheresse, c'est une conséquence du changement climatique. Effectivement, si vous prenez au Niger au cours de ces dix dernières années, on a plus des inondations que des sécheresses. Et c'est pour ça que le CILS est en train de mettre en place, avec l'aide de ses partenaires, un outil de prévention des inondations. On est en train de développer un outil qui a montré ses preuves de prévision des inondations. Parce que si vous voyez tous les produits qui sont élaborés par le CILS en termes d'information, c'est toujours en termes d'alerte précoce on donne les informations avant que les événements ne surviennent pour donner des aides à la décision pour les décideurs. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi d'autres perspectives à l'avenir en termes de perspective, euh, le SILS à travers le centre régional Agrimet, en fait Agrimet, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est un acronyme de agrométéorologie, hydrologie, météorologie. Alors donc à sa création, c'est vraiment des applications dans les domaines de l'agrométéorologie, de l'hydrologie et de la météorologie. Mais le Centre régional Agrimet a été endossé en 2021 par la CDAO pour devenir Centre climatique régional de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et ça, ça donne de nouvelles dimensions au Centre régional Agrimet en termes de fourniture de services euh, climatiques. C'est pour ça que le centre va produire des, prévisions saisonnières, longue échéance. Le centre va aussi poursuivre la gestion de la base de données euh, régionale. Le centre va aussi poursuivre le renforcement des capacités des États et des acteurs à travers les formations diplômantes et continues. Donc, vous voyez que le, CIRS, à travers son centre spécialisé, son institution spécialisée, que le centre régional Agrimet, est en train de s'adapter aux évolutions actuelles. Euh, au-delà du Sahel, on retrouve des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire. Effectivement, à partir des années 2012, on a eu beaucoup de pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée qui ont adhéré au CIRS. C'est parce qu'en réalité, ces pays ont constaté que dans leur partie nordique, il y a des effets, des impacts du changement climatique. Et donc, ils se sont rapprochés du SILS pour pouvoir bénéficier des produits et services développés par le SILS qui vont dans ce cadre-là, dans le cadre de l'alerte précoce. Merci bien Asman Aboubakar. cher auditeur, un autre tour en musique tout en restant dans cette couleur purement traditionnelle. Et cette fois-ci, on va retrouver l'artiste Bouli Kaka. C'est parti. Cette musique traditionnelle au rythme envoûtant de la calebasse et du gourmi, portée par l'artiste nigérienne Bouli Kakasi, est un véritable trésor culturel qui nous transporte au cœur du Niger. Bouli, avec son talent incommensurable, incarne l'âme vivante de la musique du Niger et célèbre l'héritage musical riche de sa région natale, Tulabéri. Et oui, lorsque les premières notes de ses chansons résonnent, on est immédiatement immédiatement captivé par la profondeur des rythmes ici de la calebasse et du gourmi. Ces instruments traditionnels taillés dans la tradition séculaire de la culture Hausa et Zarma apportent une texture organique unique à sa musique. chers auditeurs, à l'instant, c'était bien l'artiste Bouli Kakasi, tout en espérant que vous avez bien aimé ce morceau. Alors, euh, chers auditeurs, poursuivons notre programme cette fois-ci avec euh, l'écho des régions, n'est-ce pas, Abiba Oui, c'est nous. Aujourd'hui, nous allons dans les Dendi, plus précisément à Kocha, dans le département des Gaïa où les singes font des dégâts dans le champ de mil et des sorgho. Oui, une situation qui oblige euh, les producteurs à monter hein, la garde en longueur de journée avec euh, des lance-pierres. Écoutons le cri de cœur des agriculteurs dans ce reportage réalisé par Habibou Garba. kwace kwararano di niga departement ora fona no gona ga alfarai doran di gumo zami gon ga hasaro bo biyante ise iga alfarai wo farai kacha kacha ga dan kyarano alwat kulu wodin se bumbo dano borkin do wo igan ga ye faraira ngai wo irin mahangan iwan faman yan wasi eh irwo za dai ni ban ka bunga duma nan go wori go dai farora dai no kalima hay no wi irwo dai no nan go fone di mabon ma hay no sara dai a ah, irwo di ka dai ga yi ma zigi dai tondo bon di zigi dai wa dai kyar dai no di ya ka yi ma ya da. ya dai ni dai go no zarura wallahi hay no dai ni wa. bi fo kan wana bi go na fu ko ciye no nan gongai wai ni gare bumbu modano ni gare no kale ko yongo tun gadin do na zanka fodi ko kai ke zuru ka nan go kadugi gare kazi gendi so di ka wo haino wo di na garuwo dai so dai din da ko ya ga di dai goki gote faro di ra haino se ha mu a ceri dai no ka fifir ka gusan dai sai an wa she votan zamba dai kawai <laughs> to lokaci kan sara so i ka fai i goyi mbai boga ka fulan zan to da bo fulan zan di boga ne bo kafu yan kadi matkan gote winde ya da bo fatta kaina ngai mai go kanwa oh zan fatta fa ya kaina go kanuwa ngai hankaga nan ima fone wo garai ga moran dindingai bore wo dai ga kausu yan sambu damo dondol yan ngano gada ga almane wo jindawda ga isba imlambiga zamine ngai ga humburno bore kanga goi dirwin nan ta na ya masika ga lakal tunai da ngai sai ningai na almane wo marai a kausu da yau iga garin da zama kama kone su kwado <laughs> ai ban mata yano wallahi alfaga ban mata yano ko te wo saro wo ngai wo eh dai ho iga kungui ga dai ne mazurfa wallahi kake ko ma ne dai wo ka dai suru dai wallahi iba mo no fa kai su dai ne gi gindo wanda zama kamba kono su ko ido fone beriyan no <laughs> kamba kono su ko ido wallahi <laughs> to wallahi ruwa kai sin da ki fo kulki ga sambu nan go zama ozu fore siyadda ne ma bo wallahi ruwa alwatu te bumbu mo control yani dan bumbu moy madi ban kan fari bongare di ba fo na buko ir ko dai bani no sai mu aka to hon kuna adin bo iwo wadi ma bon wode di ka dai ga wotare dai mazigi ko kuzin waye madi fai bonga no kan ina wi a bo adu gwe meji ro ifo ni ni te bora so eh, ga bo da wun mono asa ba dai ga bo amandi hinna na gunda dama to man amandi man dabu alfarayo gona ga famandi mo hal fo ne o ga ka ganga izalum wato dini tubari kalla sato agato yadin mo mono ngai gudu ngai won fare albarkai hal mantimo so ayiwa eh, wallahi da ko ni man ka kala bure gadu fa lay bure gadu hina me da hina me da dan kuluno bo gadu wanga hinila bu du babu ko zongu fa o oh, buranga du yari buranga du mo bo ko wai taki bo ko wai gu buranga du bo ko wai du buranga du ko ne man du ka so tribo se ba da bo ya da so tribo se wallahi bo su du yali sara kuma san kai wai di sambu nango bo bure se kane a ah, boy gadu da mo ne do hele man ki in ka ka da alfarai in kun ko kwara alfarai igona gi hin sur deno zamine halka songo ngai mandu hini wal bor fo ya kanga kaga sala ngai se gice cin se mondi tusian misuwai ne o kara go fondara Merci Habib pour ce reportage. Espérons que le problème de ces braves cultivateurs va se résoudre. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, la page sport avec notre chroniqueur Gourouza Hassoumi. Bonjour Guruza. Bonjour Abiba, bonjour Sinou. Bonjour, alors Gourouza, le TGV de Birning Gauré se poursuit malgré la fin des vacances. Oui Sinou. d'abord, le tournoi des grandes vacances de Birning Gauré a débuté tardivement le 13 septembre dernier à cause de plusieurs raisons, dont les travaux champêtres et les aléas climatiques parce que à Birni, des matchs sont décalés à cause de la pluie. Et qui a fait en sorte que d'ailleurs la finale n'a jusqu'à présent pas été jouée. Il faut également noter que euh, ce tournoi est organisé par des jeunes étudiants et fonctionnaires qui, pendant les vacances, profitent pour réunir euh, leurs frères jeunes autour du ballon rond. Ils le font et euh, se font propre. Hein. combien d'équipes participent à cette JV de Birning Oui, Abiba, pour euh, le compte de cette euh, année, 10 équipes des différents quartiers de Birning sont engagées, euh, y compris les villages environnants, parce qu'il faut le noter, les jeunes de Birning aiment le foot. Suivons d'ailleurs les explications de Abdraman Amadou, natif de Birning jeune fonctionnaire qui vit à Kolo, mais les vacances, il le fait pendant les vacances, il vient mhm. à la maison et il est membre d'organisation, il fait partie de l'organisation du TGV Pirning je l'ai rencontré, on a causé, expliqué. Il nous a expliqué, euh, en tout cas, le tournoi. On va l'écouter un peu. D'accord. Effectivement, le tournoi se passe dans les conditions que voulues. Alors tout se passe très bien. Pour le moment, il n'y a aucun problème particulier qui mérite d'être soulevé. Euh, comme vous le savez, le football, c'est un sport euh, qui est pratiqué pour unir les gens, pour créer une cohésion sociale. Cette union-là, pendant chaque vacances, nous l'organisons ici et ça permet de créer cette ambiance-là. Ça distrait les gens et ça crée les retrouvailles. Voilà pourquoi nous tenons euh, à le faire chaque année. Au finish, euh, il y a une coupe quand même. Effectivement, il y a une coupe qui est naturellement remportée par euh, le champion, le premier. pour le moment, la date n'est pas arrêtée puisqu'il y a des reports qui sont en train d'être faits pour des raisons de pluie. Donc pourquoi euh, on euh, n'arrive pas à respecter le calendrier. Euh, parce que même aujourd'hui, hier disons, un match devrait se jouer, mais malheureusement, on a reporté ça. Le football à Bernie se porte bien Oui, effectivement. la raison, nous avons une équipe départementale ah oui, qui porte le nom de FC Boboy. Donc cette équipe est composée des jeunes ici de Birning Gauré et qui ont des talents détectés pendant les TGV. Et vous participez à, à Dosso Effectivement, nous participons au euh, aux championnats euh, régionaux et nous participons aussi à la Coupe. Il y a une coupe qui s'organise, je crois bien c'est entre les différentes régions. Et chaque année, notre équipe départementale arrive à participer. Malheureusement, jusqu'à présent, mais nous avons l'espoir que un jour, nous allons remporter cette Coupe. va remporter la Inch'Allah, nous espérons, parce que nous avons vraiment toute potentialité pour y arriver. TGV euh, de Birni, la quatrième édition des championnats du monde de football des sourds a débuté du 23 septembre et prendra fin 7 euh, octobre prochain, n'est-ce pas Oui, c'est nous. 19 pays prennent part à cette compétition. Le Sénégal, champion d'Afrique des sourds, prend part à cette rencontre mondiale pour la première fois. Le représentant africain a remporté d'ailleurs sa première sortie 2-0 devant l'Argentine et pour le deuxième match, le Sénégal a fait match nul 2-2 devant l'Ukraine. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci euh, infiniment pour euh, ces infos données à temps réel pour nos auditeurs fans de sport. À bientôt, Gourouza. Merci beaucoup. Habiba, nous sommes arrivés à la rubrique portrait qui est, qui est à l'honneur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des Magaram, un des titres de femmes de la cour du roi. 'yar 58 a Raha Ali ta yi zamanto malamar makaranta. A halin yanzu ita ce mai biya wa magajin garin gundumar ƙauyen Malawa da ke garin Dungas jihar Zandar tun a shekarar 2007 Malama Raha ita ce kuma magaramkin garin Malawa wace za ta zamanto ta hudu a cikin tarihi. Ta ba mu ƙarin haske akan yaya ake nada magaram da kuma nauyin da ya rataya a kanta a cikin gari. Ana nihin magaram kamar sarkin mata ta duka komin gaba ɗaya sarkin mata duk na ƙasar Malawa. Magaram gado ne namu na gargajiya jiya a nan a garin malawa magaram ni ke misali ta ta hudu nadin magaram dai da yan sarki ne na garin yake kirayewa a cikin fami kin wadda ta gada tunda branch branch ne ai fi mhm. sarauta to akwai wanda ta gadi branch kin magaram kin tunda akwai magaram duka mu a mu magaram magaram ake tunda ni kakattawa ya sarki ce to kamar mace da bata sarauta sai aka bata ikon mata yawa kenan sai aka farewa kakata a nan garin malawa suka mutu har aka zo kaina yanzu yanzu sarki ya kirayo da duka mata na unguwanni da na karkara da dangi na le prince prince haka aka zo aka ce magaram za a naɗa muka tafi da komi da komi aka je gidan shi aka yi naɗin magaram shikenan an bani titirkin magaram kuma ni nake da wakilancin mata na kasar mala gaba ɗaya duka wani abu da zai taso na bangaren mata ni ce abin ya rataye a kaina a matsayin na magaram ni nake kordonan duk abin zai taso ɓangaren education bangaren sante bangaren environnement bangaren komi dai haka a sama ni ce zan kirayi mata mu zo mu zama zamna a gidana an ba su shawarar ga abin da na hango su ba da amsa mu zo an komen na court in ya so in na mu je mu tunkari wani ne mu tunkara in na activity ne zamu yi kamar ta shara kamar ta wani salibirite ta likita maternity da wani gari haka duka sai mu tsara yau mun yi da wannan unguwar gobe a yi da wannan. Babu wani nauyin da ba a fuskanci kalubalai ba, in ji Malama Rah Ali, wacce ta ce ta gamsu sosai da wannan matsayin nata. In an ce wakilanci babu irin kalubalen da baka samu. Tunda in ka ce za ka tunkari mutane kuma tuntu a miliyan riral akwai ja da baya na mutane da dama. To kuma kowa mun san yadda za mu yi mu za ku kusan shi mu yi magana da shi mu yi a cikin yardar juna. Kuma in an ce kai magabaci ne akwai 'yan suka akwai 'yan ban ruwana wanda ba ba ma matan bane maza ma za su iya sukar matan an ce kai magabaci ne wannan bakka sa shi a gaba ina jin dadin aiki na ɗari bisa ɗari jin an ce kai a gaba kake fe ka ɗau hakuri. Malam Abdulsalam Manzo shugaban kwamitin da ke kula da al'umma wanda ake kira CVC na Malawa ya yi yaba sosai da ƙoƙarin malama Raha Ali magaram dai kullum mu uwa ce uwa ce a nan da birni da karkara sai dai a ce san barka in ka ɗauka bisa ta na sarauta na gargajiya bisa ta kuma na siyasa da ke yi gaskiya babu raina manya babu raina yaro duka abin da take yi tana neman shawara tunda dan adam za a ce ba a ce duka ɗari bisa ɗari ba sai dai ba abin da ba a rasa ba kuma mu a harkar rayuwa ma ta kungiya da duka wasu abubuwa tana kiran mu ta nemi shawaran mu mu ba ta shawara kuma duk abin da kai muka gani ba daidai ba wanda zai bata sunan gari ko zai bata sunan wani babba za ta mana miza an kuma za ta ce mana wannan da Allah guri kaza kamata ya yi kaza saboda mu komin ɗin ma ƙauye take yi kuma guri ne wanda ya gida ya kuma duk sabgar da ake in ta kama ta mata ce ko har ta mazan ma kawai za ta gwada lalle ita ta isa kuma lalle magaram in ce ko da goranci ko kira entrepreneur cbc malawa za ga ta kawo zuwa kuma albarkacin su ne kowane guri ko hmm. harkar bariki ko harkar gargajiya kuma duk abin da ya kamu shayi shashi karkara gaba daya kawai kaga presence in ka baka zo ga sabonta duk da yake a zamanin yanzu matsayin magaran baya da karhi a wasu garuruwa na kasar Nijar a garin Malawa ana ci gaba da shi da kuma girmama shi inji magaram raha Voilà, c'était là le portrait de Magram, un des titres des femmes de la cour du roi. Hein, elle coordonne et intervient notamment dans l'éducation et d'autres actions pour euh, le, bon fonctionnement euh, de la communauté. Son portrait a été réalisé par euh, Rakia Arimi. Alors Abiba, on poursuit avec quoi Voyons à présent ce que les femmes de Kalangu nous ont préparé comme loti. Eh oui, elles nous parlent des enfants parce qu'à un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter euh, des problèmes et des accidents. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ces échanges de Rakia Arimi et Fanta Shamsou. Affairage, affairage, affairage, affairage. page-là. Sophie, ma chérie, c'est toi. Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas Je vais bien, Alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque deux ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridouane, comment il va même Il va bien, je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Donc, tu l'as laissé avec son papa Son papa non, non, non, non, non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la fatigue à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui Tu as une nounou hum, Ouma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc je l'ai laissé seul à la maison. Seul Ridouane qui n'a même pas deux ans. Hé, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme c'est là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Inna wa inna Sophie, tu es sûre que tout va bien dans ta tête Tu es quel genre de mère même tu paniques comme ça Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison Ça ne fait rien, mais... Hum, j'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre, à chaque fois, il dort à point fermé. Hum. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Sophie, hmm? tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement Est-ce que au moins tu connais le nombre de risques que tu prends Tu es courageuse même. Oma, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Hum, Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser. Hé, ça là, ce n'est rien. Traumatiser là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Sophie, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut être né seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple, ou pire encore, causer un accident domestique. Causer accident domestique C'est quoi ça encore Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie, ou même étouffement et autres. Les enfants sont de nature très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. subhanallah, subhanallah, Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses. Ou bien trouve-toi une nounou responsable Carmen. Voilà, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrais terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridouane. Oh Allah. J'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. Qu'Allah préserve ton Ridouane. Taxi, Amin, Amin, Amin, merci, Oumar. Taxi, taxi. banda. merci à vous, infatigable femme du studio Kalangu. À présent, il y a Moussa Hassan qui nous vient avec les mots du jour, qui parle des récoltes. Bonjour Moussa. Bonjour ma soeur, bonjour euh, nous. Bonjour. Abiba, effectivement, je parlerai aujourd'hui de récolte, comme euh, nous sommes en son temps. Ok. En fait, c'est un mot féminin dérivé du verbe récolter. Il désigne l'action de recueillir dans les champs les produits agricoles. Donc c'est l'action, cette action a eu lieu après un temps de production, de travaux, d'intenses travaux, notamment pendant la saison pluvieuse. Euh, par exemple, au Niger, actuellement, nous sommes dans la période, comme je viens de le dire, les cultivateurs, après multiples euh, efforts, ils vont récolter le fruit de leur effort là. Effectivement. Mhm. Notamment les céréales saisonnières, mhm. telles que le mil, le niébé, le sorgho et autres. Donc on peut aussi faire la récolte d'autres produits qui ne sont pas agricoles. C'est-à-dire, euh, par exemple, la, récolte euh, du natron, on peut le faire. On peut parler de récolte du sel, comme mhm. on le fait. C'est vrai, c'est pas quelque chose qui a été planté et, cultivé, mais on récolte. Mhm. Donc, euh, an zarma recolt matkirin ga ci da zarma sandi ga ngwa mantikala wiyan mhm. wanda haini wiyan wala hamu wal kurkoti ka igite lokaci wara kan giti hema eh a general wiyan odin borai lokaci mano no ida ga gine hema dure mo hema rize qui qui e, la maladie par, par lui qu'on dans le temps c'est à cette période qu'on a le palu c'est pas mhm tout le temps comme actuellement. Mhm. Mhm. Donc, euh, mhm. OK, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes au terme de l'émission de ce mercredi 27 septembre 2023. Rendez-vous demain avec un autre duo. Vous étiez avec Habiba et Seno. Bonne fête de Mouloud à tous.